avec une animation qu'a offert l'Assemblée générale élective du Parti exécutif régional du Parti nigérien pour la paix et le développement PNPD à Kalkassa de la région de Maradi au sein de la salle de réunion de la mairie centrale de Maradi. de cette session, les bureaux régionaux, celui des femmes ainsi que des jeunes ont été renouvelés. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous voici en session extraordinaire pour le renouvellement de ces bureaux. Pour rappel, notre parti PNPD à Calcassa avait participé à toutes les échéances électorales de 2020-2021. Le lieu pour nous de féliciter et encourager toutes nos militantes et tous nos militants. Ainsi, nous exhortons nos militantes et militants de la diaspora pour une forte mobilisation dans le cadre de l'enrôlement biométrique et de se préparer à l'avance pour les élections législatives de la diaspora car notre parti va présenter une liste de candidats. Le président national du parti PNP de Akalkassa présent pour la circonstance se prononce ainsi. La lecture que j'ai faite à cette assemblée, euh, j'ai trouvé quand même des jeunes et des femmes euh, déterminées déterminés euh, et qui sont aussi prêts à défendre l'idéologie de notre parti, qui est le Parti nigérien pour la paix et le développement. Et que ce n'est pas une surprise pour nous c'est mon septième déplacement sur Maradi depuis la création de notre parti récemment en 2016. Ma première visite à Maradi, je n'ai eu qu'un seul militant avec lequel je me suis entretenu. Donc aujourd'hui, à notre septième visite, vous avez vu, c'est seulement les délégués des de, communes, c'est des délégués par commune, ce sont eux qui ont assisté à ces mises en place du bureau régional des jeunes, bureau régional des femmes, car nous, chez nous, notre bureau régional des jeunes, c'est OJAC, Organisation des jeunes à Calcassa. Et pour les femmes, c'est OFAC, Organisation Femmes à Calcassa. Et c'est les bureaux mixtes qui est des bureaux euh, régionaux. À noter que cette dernière assemblée générale a vu la participation massive des idiots du parti et des partis amis ainsi qu'une présence remarquée d'une forte délégation venue avec le président national du parti.